ravi de vous retrouver pour euh, ce numéro de forum euh, du studio Kalangou qui aborde aujourd'hui le thème l'accès à l'éducation des personnes handicapées au Niger. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2012, le Niger compte 715 000 497 personnes handicapées, soit 4,2% de la population nigérienne. Parti à plusieurs instruments internationaux de droits humains, le Niger réaffirme dans sa constitution du 25 novembre 2010 son attachement au principe de l'état de droit et garantit explicitement les droits des personnes handicapées. C'est ainsi que l'article 26 de cette Constitution dispose que l'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et ou leur réinsertion sociale. Aussi, la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Niger dispose en son article 24 que les États partis reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation, quelles sont les avancées réalisées dans le cadre de la promotion du droit à l'éducation des personnes handicapées au Niger, quels sont les défis à relever pour une meilleure jouissance du droit à l'éducation des personnes handicapées en République du Niger. Pour en débattre, nous recevons comme invité M. Adamou Sabo. Il est le chef division éducation inclusive au ministère de l'Éducation nationale. Notre deuxième invité est M. Mohamedou Oumourou. Il est le secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Et enfin, nous avons comme troisième invité M. Al-Mustafa Moussa Ide, président de la plateforme Le Défenseur des droits. Il est donc euh, défenseur des droits humains ancien commissaire de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Bonsoir, chers invités. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation du studio Kalangu. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. D'abord, M. Euh, Monsieur Mohamedou Oumourou, secrétaire euh, général euh, de la Fédération nigérienne des personnes handicapées présentez-nous tout d'abord la situation actuelle des personnes handicapées au Niger. Merci, M. Michel Deji. Bon, globalement, on peut dire que euh, la situation des personnes handicapées, euh, elle est satisfaisante, mm. euh, vu que en 2019, mm. le gouvernement nigérien a adopté une loi qui est en harmonie avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est la loi 2019-62 euh, mhm. du 10 décembre 2019 euh, déterminant les principes fondamentaux d'insertion des, personnes handicapées. Qu'est-ce que cette loi apporte euh, de plus en matière de droit à l'éducation des personnes handicapées au Niger Cette loi vient euh, réaffirmer l'engagement de l'État à assurer le droit à une éducation inclusive de qualité mhm. euh, aux enfants handicapés. Déjà en 2018, lorsque le gouvernement a adopté la loi sur la protection sociale, cette euh, question d'éducation inclusive a été aussi prise en compte dans la loi de protection sociale. Mhm. Et on se réjouit qu'aujourd'hui, ces deux lois-là ont déjà leur décret euh, d'application. Mhm. Euh, donc, euh, du coup, on peut vraiment se réjouir que le cadre juridique, il est là. et il est favorable. Mhm. Et l'autre chose, c'est que c'est du point de vue institutionnel, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une division euh, la division de l'éducation inclusive. Mhm. Donc c'est une façon de dire qu'il euh, il y a une attention particulière qui est accordée par le gouvernement mhm. à la question de l'éducation inclusive. Mhm. Et au niveau de chaque direction régionale, il y a euh, un point focal, éducation inclusive. mais en dépit de tous ces efforts-là, on peut dire que beaucoup reste à faire parce que la question de l'éducation inclusive c'est euh, beaucoup de choses, c'est un tout. Dans la faisabilité, ça nécessite euh, beaucoup d'actions. Ça nécessite On verra ça justement euh, voilà. après les interventions de nos deux autres invités. Monsieur Al-Mustafa Mousside, vous êtes le président de la plateforme Le Défenseur des droits. Vous êtes donc défenseur des droits humains, ancien commissaire au niveau de la Commission nationale des droits humains, CNDH. On l'a dit, la loi numéro 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien dispose aussi en son article 2 que l'éducation est un droit pour tout citoyen nigérien. Quelles sont les obligations de l'État du Niger dans le cadre de la promotion du droit à l'éducation des personnes handicapées au Niger Merci Michel Deji. Comme vous l'avez dit, effectivement, eh, eh, eh, le droit à l'éducation des personnes en situation de handicap mhm. est garanti par euh, le droit international. Notre pays, est, pour satisfaire à, ça, en tout cas, vous l'avez dit à l'entame euh, de ce débat, que le Niger a ratifié plusieurs instruments mhm. juridiques euh, internationaux, tant dans le cadre de l'ONU que dans le cadre euh, africain. Mhm. au Niger, on ne peut véritablement que s'en féliciter. Euh, le secrétaire général euh, de l'association des personnes en situation de handicap mhm. l'a dit, nous avons un cadre juridique favorable et mieux. je suis très bien placé parce que, ayant été ancien commissaire, je sais le travail abattu par euh, le ministère de la Justice, mhm. mais lorsque euh, on va en profondeur, mhm. et malgré ces efforts, nous avons de nombreux que le défi est énorme. Mhm. Le défi est énorme. Et c'est à ce niveau qu'il faut aussi saluer, Ce c'est pas parce qu'ils sont devant moi, le travail abattu par le ministère euh, de l'Éducation nationale mhm. en créant déjà euh, la, division, euh, éducation, inclusive. qui fait partie des recommandations parce que pour assurer le droit à l'éducation des, personnes handicapées, mhm. il faut faire de l'éducation inclusive une, réalité. Mhm. Et ça, c'est une réalité, mais c'est dans la mise en œuvre que effectivement il y a d'énormes difficultés. En tant que défenseur des droits humains, pourquoi est-il important de faire la promotion de l'accès à l'éducation des personnes handicapées, Monsieur Al-Mustafa Moussaïde Vous savez, parce que tout simplement aujourd'hui, Michel, c'est des êtres comme nous. Mhm. On a les mêmes droits qu'eux. Mhm. Donc, il va falloir que, effectivement, en fonction de leur situation handicap, que l'État crée les conditions mhm. permettant à, ces personnes en situation de handicap bénéficier des mêmes droits que moi. Je suis enseignant. Mm. Je sais que jusqu'à là, eh, eh, eh, parfois on a vu la discrimination mm. dont ces, enfants handicapés, sont souvent victimes, mm-hmm. de la part parfois de, certains enseignants, pas aussi de leur force, parce que quelque part, ils n'ont pas assimilé cette notion de culture des droits. Mm-hmm. Vous voyez, donc je pense que c'est à ce niveau que Michel, nous devons comprendre que c'est des êtres humains comme nous et on a intérêt à développer une solidarité envers eux parce qu'ils ont, ils ont des besoins spécifiques dont nous devons euh, en, en, tenir compte. Merci beaucoup. L'article 26 euh, de la Constitution parle d'égalité de chance à ce niveau. Ça veut dire que l'État doit tout faire pour que une personne euh, présentant du handicap ait les mêmes chances d'aller à l'école que les autres enfants qui se portent bien. Merci. Nous avons également comme invité M. Adamou Sabo. Il est le chef division éducation inclusive au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Adamou Sabo, Aujourd'hui, que fait l'État pour assurer une meilleure euh, prise en compte de ce droit à l'éducation aux personnes handicapées au Niger Merci beaucoup, Monsieur Michel. Avant de commencer, je pense qu'il est nécessaire d'abord de définir euh, l'éducation inclusive. Mhm. Qu'est-ce que nous entendons par l'éducation inclusive au ministère de l'Éducation nationale Donc c'est un système éducatif qui tient compte des besoins particuliers en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation, de vulnérabilité, tels que les enfants de riz, les filles, les groupes d'enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants issus des familles diminuées financièrement, les enfants issus des familles nomades, les enfants atteints du VIH et les enfants en situation de handicap. Donc, euh, au Niger, on a commencé par l'éducation spécialisée. Mhm. C'est quoi l'éducation spécialisée Donc, c'est une éducation qui prend en charge des enfants ayant le même type de handicap mhm. et scolarisé dans un environnement d'apprentissage séparé, tel qu'un centre ou un établissement spécialisé. On connaît par exemple l'école des aveugles. Voilà. Soli une école pour des sourds. Voilà, école pour des sourds. Donc ça, mhm. c'est des exemples d'écoles spécialisées. Mhm. Maintenant, euh, l'approche intégrée, donc l'éducation intégrée, donc ce type d'éducation euh, permet aux enfants handicapés d'être scolarisés dans des écoles traditionnelles. Mhm. Donc l'enfant est accepté au sein de l'école, mais il reçoit un enseignement spécialisé dans une classe séparée. Maintenant, à la quatrième année, au CED, il intègre une classe ordinaire avec l'aide d'un maître itinérant. Mhm. maintenant, euh, l'éducation inclusive. C'est quoi l'éducation inclusive Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc ce système tient en compte des besoins particuliers de tous les enfants en matière d'enseignement et d'apprentissage. Donc euh, elle consiste à, scolariser et à encadrer des apprenants handicapés, mmh. les enfants en, difficulté d'apprentissage ou de comportement, ensemble avec leurs pères handicapés, mmh. dans, la même enceinte et dans la même classe. Donc, c'est ça un peu euh, les différentes approches que j'ai tenu à rappeler. Mmh. Maintenant, par rapport au fondement, parce que euh, L'éducation inclusive est basée sur des fondements juridiques et réglementaires ici au Niger. Mhm. Donc tous mes prédécesseurs l'ont rappelé, mais je pense qu'au niveau du ministère, il est important aussi pour nous de, vous rappeler ces, ces fondements juridiques-là. Donc euh, au Niger, nous allons d'abord commencer par notre texte fondamental, la Constitution. bien sûr. Donc vous avez rappelé certains articles, mhm. mais il y a quatre articles qui prennent en compte l'éducation inclusive dans la constitution du Niger. Hum. Et ça, c'est une fierté pour le Niger. Hum. Je me rappelle quand on était à, à Lomé, hum. dans le cadre de la validation du rapport alternatif dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, il a été ressorti que la constitution du Niger par rapport à la constitution des pays de la sous-région est celle qui prend le mieux en charge l'éducation inclusive à, travers ces quatre articles-là. Mhm. D'abord, il est à l'article 12. Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation, à l'instruction dans des conditions définies par la loi. Mhm. L'article 22, l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille, des personnes handicapées. Les politiques publiques, dans tous les domaines, assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. L'article 26, elle veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et ou de leur réinsertion sociale. Il y a aussi l'article 100, ce qui est un peu long. Il y a juste un extrait que je vais donner. La loi détermine les principes fondamentaux et, donc de la protection des personnes âgées et de l'insertion des personnes handicapées. Il y a aussi la loi, la Lausanne, qui prend aussi en ah. charge, mhm. n'est-ce pas et Il y a l'article 42, 43 et 61, qui peut-être on n'a pas le temps de revenir sur ça. Mhm. Mais il y a aussi des décrets, des arrêtés, des circulaires, n'est-ce pas, qui encadrent cette question de l'éducation inclusive. Peut-être je vais rappeler ici la, lettre circulaire 0311 MEN DEB du 7 décembre 2007 qui soutient que les enfants handicapés peuvent être inscrits à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, malgré la législation en place dans l'ordonnance 2010-028. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a euh, des mesures positives qui sont là euh, pour les enfants, pour la promotion de la des enfants handicapés. Ça veut dire qu'un enfant handicapé aujourd'hui, même à l'âge de 12 ans, peut être inscrit à l'école. Mhm. Parce qu'il y a des dispositions qui, qui le permettent. Quand vous dites euh, peut être inscrit à l'école, dans toute école ou bien dans toutes les écoles. Mhm. Dans toutes les écoles. Les personnes malvoyantes, par exemple, est-ce qu'un enfant malvoyant a le droit d'être inscrit dans une école ordinaire partout où il se trouve sur l'ensemble du territoire. Partout où il se trouve. Parce qu'en fait, quand on Mais quand l'enfant arrive, comment son droit à l'éducation est pris en compte puisque là, il n'arrive pas à lire, euh, il ne voit pas comme les autres enfants. Oui, il ne voit pas comme les autres enfants, mhm. mais ils ont il y a des mécanismes qui est là. Mhm. Il y a le braille qui est là qui est aujourd'hui oui, mais est-ce que ce mécanisme est fonctionnel dans toutes les écoles sur l'ensemble du territoire national Oui, en fait, vous savez, c'est progressif. Mhm c'est progressif. On vient de le rappeler tous, il y a le cadre juridique qui est là et c'est ça qui est le plus important. Hmm. Par exemple, vous avez un enfant, et un enfant aveugle. Hmm. Vous le présentez à l'école du quartier. Maintenant, si on refuse de, de, de prendre cet enfant-là, vous savez bien que lui, c'est le sujet du droit. Il y a les textes protégés qu'il a que nous venons d'évoquer, les textes, et hmm. les, les, les, textes juridiques et réglementaires. là. Maintenant, c'est quoi On doit réagir. On ne doit pas venir c'est replié pour se plaindre, dire qu'on a refusé de prendre mon enfant. Mais tu fais quoi Donc c'est à nous d'utiliser le troisième élément définissant du droit qui est le recours. Le recours, euh, nous allons poser la question à merci monsieur... Moi, merci à vous. Merci beaucoup vraiment pour cet éclairage. Nous posons la question à monsieur Mohamed Oumourou, qui est le secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Sur le terrain, quelles sont les offres disponibles Est-ce que réellement tous les enfants en âge d'aller à l'école arrivent à jouir de leur droit à l'éducation lorsqu'ils présentent euh, des handicaps euh, à divers niveaux. En fait, il faut peut-être euh, nuancer parce que aujourd'hui, effectivement, le cadre juridique est favorable et sur le terrain, on est en train aussi de voir des avancées dans plusieurs domaines. Par exemple, euh, chez les personnes handicapées visuelles, les choses sont en train d'évoluer parce qu'aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont à l'université, mhm. euh, à l'ENA, un peu partout, mhm. qui sont aussi en train de travailler et qui sont devenus des grands fonctionnaires de l'État. Euh, mhm. Chez les personnes handicapées auditives, eh, il faut dire que jusque-là, en tout cas, le plus grand diplôme qu'ils ont décroché, c'est le bac. Et euh, donc, euh, et ça aussi, euh, ce n'est qu'en en, 2019 ou 2020 mhm. qu'ils ont eu leur premier bachelier. Mhm. quand vous prenez, par exemple, chez les personnes handicapées intellectuelles, mhm. c'est là où le problème se pose. Parce que parmi les personnes handicapées, tout à l'heure, Adam l'a dit, c'est-à-dire, il y a les personnes handicapées physiques, mm. il y a les, personnes handicapées intellectuelles, il y a les personnes handicapées mentales, mais il y a aussi les personnes handicapées sensorielles, mm-hmm. qui sont les auditifs et les visuels. Mm. Donc aujourd'hui, là où vraiment le système a des manquements, c'est par rapport à l'éducation des enfants handicapés intellectuels mm-hmm. que les choses ne bougent pas. Par exemple, les enfants autistes, mm-hmm. les enfants euh, vivant avec la trisomie 21, ainsi de suite. Ils ont un trouble d'apprentissage, parfois ils ont un retard de développement mhm. euh, qui affecte euh, euh, vraiment leur apprentissage. Mhm. donc ces enfants-là, ils sont nombreux. malheureusement, ces enfants-là, ils sont nombreux. Et, aujourd'hui, ils n'ont pas accès à l'éducation parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. Mhm. le, personnel d'encadrement, c'est-à-dire les enseignants n'ont pas euh, vraiment les, compétences euh, nécessaires mmh. pour euh, l'enseignement de ces enfants-là. Et il y a aussi l'environnement scolaire qui n'est pas favorable à, eux, parce qu'il va falloir sensibiliser les enfants qui sont à l'école pour que ces enfants-là ne les discriminent pas, mmh. pour que ces enfants-là ne les violentent pas, et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est en cela que nous sommes en train d'interpeller le gouvernement et les partenaires mhm. euh, de l'État du Niger pour que vraiment quelque chose soit fait par rapport à l'éducation euh, des enfants handicapés intellectuels. Mhm. Parce que dans les autres pays, les choses sont en train d'avancer. Hein. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de la communication, mhm. euh, il y a des, modules, il y a des logiciels, il y a la technicité qui est là pour enseigner ces enfants-là. Et l'autre problème de notre système, et même chez les, euh, personnes sourdes, c'est que nous n'avons pas d'interprète mhm. à langue de signes professionnels. Qu'est-ce qu'on appelle interprète à langue de signes professionnels? Aujourd'hui, vous regardez, au Niger, il n'y a pas une école dans laquelle on forme les interprètes. Mhm. Presque tous ceux qui sont en train d'assurer cela ont appris ça comme ça eh, parce qu'ils ont travaillé à l'école euh, Hassan Banaba, l'école pour sourds. Ça veut dire que les sourds, pour euh, leur transmettre le savoir, c'est seulement à travers les signes, c'est ça Oui, c'est ça. Mhm. Et donc, euh, il va falloir former les enseignants, c'est-à-dire, si on veut, il faudrait ouvrir un centre de formation mhm. des interprètes à langue de signes. Il y a aussi le choix que l'État du Niger doit faire sur les mesures d'accompagnement mhm. de l'éducation inclusive. C'est-à-dire quoi Aujourd'hui, l'État du Niger peut choisir euh, l'approche par enseignants itinérants. Ces enseignants itinérants-là, c'est eux qui seront là en classe de CI, CP, CE1, puisqu'il s'agit pour l'éducation inclusive, en classe de CI, déjà l'enfant est ensemble, il est intégré, il apprend en même temps que les enfants non handicapés. Mhm. Donc, il lui faut un accompagnement. Il n'est pas obligé d'être tout le temps là avec l'enfant parce que ce n'est pas toutes les matières qui nécessite un accompagnement pour l'enfant. Par exemple, quand il y a la séance d'écriture, l'enfant non-voyant, lui, il va écrire en braille. Le, maître titulaire de la classe ne peut pas être disponible pour euh, euh, tout le monde en même temps. Mais s'il y a un enseignant itinérant, lui, il va appuyer l'enfant à apprendre l'écriture braille, en même temps que les autres enfants sont en train d'apprendre aussi l'écriture. Mhm. Est-ce que vous voyez donc c'est ce système que vous recommandez C'est ça que nous... Et non un système euh, où on a une éducation spécialisée, où déjà quand vous êtes euh, malvoyant, on vous met de côté pour une école à part, c'est ça Oui, ça, c'est une discrimination. Mhm. Lorsqu'on parle de l'éducation, justement c'est pourquoi on a amené ce concept d'éducation inclusive. Mhm. C'est parce qu'on a trouvé que l'éducation spécialisée est un système est discriminatoire. Mhm. Et Dire que quand vous êtes sourd, on vous met de côté. De côté, quand vous êtes euh, euh, non, voyant, on vous met de côté. C'est discriminatoire. Il y, a beaucoup de griefs qu'on a reprochés à l'éducation spécialisée et mhm. même à l'éducation intégratrice. Mhm. Parce que lorsque vous prenez le plus grand grief que reproché à l'éducation spécialisée, c'est le manque de socialisation. Tous les enfants qui ont grandi ou qui ont fait l'école spécialisée généralement, ils ont un problème de socialisation. Mhm. Et l'autre grief, c'est que c'est discriminatoire. Mhm. Parce que le fait d'isoler ces enfants-là à eux seuls euh, dans une école, c'est discriminatoire. S'ils sont à l'internat, ça ne leur permet pas euh, d'être socialisés parce qu'ils n'ont pas appris à vivre dans la communauté, à mhm. aller à l'école avec leurs frères et sœurs du quartier. Ils ont été mis à l'écart dès leur bas âge. Voilà. Donc c'est pourquoi on a pensé Mhm. Euh, à l'éducation inclusive et qui vient d'être définie par euh, Monsieur M. Adamou, mhm. et dont on ne va pas revenir sur la définition, mais on sait que c'est un, euh, un, système qui favorise en tout cas l'apprentissage de l'enfant. Merci beaucoup. Parlons à présent des défis qui restent à relever pour une meilleure jouissance du droit à l'éducation des personnes handicapées au Niger. Monsieur Al-Mustafa Moussaïde, défenseur des droits humains, quels sont aujourd'hui ces défis Les défis sont énormes mm. compte tenu eh, du contexte dans lequel eh, se trouve véritablement eh, notre pays. Parce que quand vous prenez par exemple la Convention sur les droits des, personnes euh, handicapées. Elle dit entre autres que les personnes handicapées, les enfants des personnes handicapées ne doivent pas être exclus sur le fondement de leur handicap, mhm. du système d'enseignement général à ce que l'enfant handicap ne soit pas exclu sur le fondement de leur mhm. handicap, de leur enseignement primaire. Et l'enseignement doit être gratuit et obligatoire mhm. au niveau du, du secondaire à, tous les niveaux. Mhm. Et là, le chef de division a, a, dit que vraiment le cadre juridique y est. Et quelque part, on dit l'école ou l'établissement le plus proche du domicile constitue l'établissement de référence. Mhm. de l'enfant. Ça veut dire qu'on ne doit plus isoler les enfants. Eh, L'État doit créer les conditions pour que ces enfants handicapés aient accès à ce droit. Moi, étant habitant ici, Kwarakano, mhm. il y a une école primaire à côté si j'ai un enfant en situation de handicap, mhm. en principe, si je l'amène là-bas, quel que soit le handicap, il doit être accepté. Il doit être accepté. Mhm. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, dans aucune école du Niger, on n'exclut pas un enfant parce que eh, les enseignants ont été formés et sensibilisés pour ça. Mhm. Mais la réalité, elle est tout autre. Et ça, c'est un défi presque mondial. Je vous prends par exemple, aujourd'hui, il est dénombré que eh, à l'échelle euh, mondiale, il y a 93 millions d'enfants. Sur ces 83, 1 sur 20 jusqu'à l'âge de 14 ans souffre de handicap modéré ou grave. Mhm. Dans beaucoup de pays à revenus faibles intermédiaires, les enfants en situation de handicap sont plus susceptibles de ne pas aller à l'école que n'importe quel autre groupe. Mhm. Euh, le, même document dit le taux d'inscription euh, euh, scolaire initial de ces enfants sont très faibles. Les enfants handicapés, même s'ils sont scolarisés, ont souvent une probabilité bien supérieure d'abandonner les études et de quitter l'école mais, prématurément. Mustafa, qu'est-ce qui les pousse à l'abandon Puisque l'État dit, vous pouvez venir, vous êtes handicapé, vous pouvez venir. A mais malgré tout ça, on voit des élèves qui abandonnent. le cadre juridique est là. Mhm. Euh, le chef de division a dit que c'est progressif. On est d'accord, on s'inscrit dans cette logique. Mhm. C'est progressif. L'éducation des enfants handicapés coûte excessivement cher ça veut dire au niveau de chaque école, normalement, chaque école, il faut avoir des enseignants qui comprennent le braille, qui les gestes, les signes, qui peuvent interpréter tout ça. Entre nous, quand on va dans nos écoles, je prends une école d'un village X. Mhm. Moi, j'ai euh, un, enfant handicapé, peut-être euh, mental ou auditif. vous voyez les mhm. difficultés parce que parfois, l'enseignant qui est là-bas c'est peut-être un enseignant qu'on a pris, excusez-moi l'expression, hein, mhm. avec la contractualisation, mhm. où on a vu à un moment, on prend euh, du tout venant, faire de lui mhm. enseignant. Vous conviendrez avec moi que cet enfant-là ne va pas jouir, voilà l'expression, véritablement. Peut-être même qu'il n'a pas été sensibilisé. Il n'a même pas été sensibilisé. Parce qu'il n'a pas été formé pour être va être parfois l'objet de discrimination même de la part d'enseignants. C'est à ce niveau que nous disons que il y a un défi. Mhm. Et ce défi, pour le relever, je suis d'accord, l'État à lui seul ne peut pas. Mhm. Les, nos amis de, qui sont de la fédération qui mhm. sont en train de se battre, à eux seuls ne peuvent pas. Nous, défenseurs de droits humains, nous ne pouvons pas. Vous de la presse, vous ne pouvez Mais pas. Qu'est-ce qu'il faut Il va falloir qu'il y ait une véritable synergie d'action. Que nous comprenions que le droit à l'éducation est primordial. Mhm. Par conséquent, il faut que nous nous engagions véritablement dans ce combat pour permettre à, ces, à ces, enfants, à ces, personnes en situation mhm. de handicap, de, bénéficier, de jouir de leurs droits. Nous-mêmes, nos, droits aussi sont, sont, bafoués. Mais eux, je pense que... Ils sont en situation de vulnérabilité. Mhm. Il faut que nous leur accordions. C'est dans ce sens-là que je pense que nous devons encourager les, efforts du, gouvernement et créer cette synergie pour que nous puissions mettre la pression, la mhm. pression afin que on puisse vraiment s'occuper de ça. Sinon, en, négligeant ça, Michel, mhm. Si on va assister à, ces situations-là, vous allez les voir devant les, les, les, les, faits optiques, euh, mhm. devant les mosquées, devant la mendicité. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Et moi, je suis convaincu que si on s'y met, nous pouvons arriver à ça. Merci beaucoup. Je rappelle que le pourcentage, c'est 4,2% de la population nigérienne qui est en situation de handicap, mais il n'y a pas que les personnes handicapées, vous avez à l'expliquer. L'éducation inclusive concerne également d'autres personnes. Il s'agit des populations nomades qui quittent à tout moment leur lieu de résidence. Donc, euh, on n'a souvent pas le temps d'inscrire l'enfant et parfois c'est un échec quand l'enfant grandit sans éducation. Monsieur le chef de la division éducation inclusive, Merci. selon vous comment réussir à relever tous ces défis parce qu'il a expliqué aujourd'hui euh, au niveau des écoles, il n'est pas évident qu'on ait des gens spécialisés dans le domaine pour une meilleure effectivité de ces droits, en l'occurrence ici le droit à l'éducation des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il faut concrètement Merci beaucoup. Mhm. comme euh, ils ont tous euh, y allé dire, j'ai envie de revenir sur la prise en charge des enfants déficients intellectuels d'abord, mhm. comme Mohamed l'a évoqué. Ça, c'est vraiment un défi. Mhm. Et dans des écoles aujourd'hui, au nom de l'éducation pour tous, mhm. les enseignants acceptent des enfants, quel qu'en soit le type de handicap. Mhm. Ils l'acceptent dans les écoles parce qu'ils n'ont pas le droit de les refouler. C'est un droit. Donc, au nom de l'égalité formelle. ça, c'est l'égalité formelle et l'égalité. Il y a un effort qui est fait pour encourager l'enfant, le mettre de côté, le euh, motiver, tout ça. conscient de cette situation, de l'effort que les enseignants sont en train de faire. Mais personne ne peut aller au-delà de ses capacités. Ces mhm. enseignants ont besoin d'être outillés mhm. pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là. Et c'est ce qui fait que nous avons eh, réfléchi avec certains partenaires et eh, qui ont aussi vu la nécessité de nous appuyer pour élaborer un module, n'est-ce pas, de formation pour la prise en charge des enfants déficients intellectuels. Mhm. Aujourd'hui, ce module est là, il existe. Donc, ce support existe et on a formé eh, 12 encadrés pédagogiques et deux points focaux de deux régions. 12 pour l'ensemble du pays, c'est ça Oui, en fait, c'est un truc pilote. On commence d'abord, c'est la phase pilote. Mhm. Donc, 12 euh, encadrés pédagogiques ont été formés. Mhm. Et ça, c'est une avancée parce que ça n'existait pas avant. Mhm. Donc, c'est la base de ce module, et 60 enseignants sont aujourd'hui formés sur la prise en charge des enfants déficients intellectuelle. Al-Mustafa a dit que ça nécessite des moyens colossaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, avez les moyens pour que l'éducation inclusive soit réellement une réalité Parce que le cadre juridique est là, mais dans la réalité aujourd'hui, est-ce que de quels moyens disposez-vous, par exemple, pour contrôler euh, par au exemple, niveau des régions du pays. Par exemple, pour élaborer ce modèle, ça nécessite mhm. des moyens, c'est un appui. Pour former les encadreurs pédagogiques, ça nécessite des moyens, c'est un appui. Pour former les 60 enseignants, c'est aussi la même chose, et mhm. leur suivi. Donc, euh, pour tout ça, là, pourquoi on le fait Parce que, comme euh, l'a dit M. Euh, Al-Mustafa, euh, mhm. effectivement, l'objectif de l'éducation inclusive, c'est d'avoir des écoles inclusives. C'est quoi une école inclusive Une école inclusive, c'est une école qui permet la prise en compte des différences de chacun. Mhm. Donc, chaque enfant, n'est-ce pas, grâce à l'intervention d'enseignants formés, grâce à l'intervention d'enseignants formés. Donc, il a la nécessité de former les enseignants. Des enseignements, formés. Est-ce qu'il y en a actuellement Oui, je reviendrai, le chef de division, sur l'ensemble du pays au niveau des écoles. Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage en termes de disponibilité, par exemple, de ces enseignants Donc, merci. Mais permettez-moi de, de, définir ce qu'est une école inclusive. Qu'est-ce qu'on doit entendre par une école inclusive, comme on l'a dit mhm. Donc, chaque école de la communauté, l'objectif, c'est quoi Qu'elle soit une école inclusive. Mhm. Donc, qu'elle soit capable de prendre en compte les différences de, chaque, de chacun grâce à l'intervention des enseignants formés, comme je l'ai dit, l'enseignement adapté et des élèves informés. Donc, elle répond aux besoins éducatifs spécifiques en s'appuyant sur un projet individuel établi en partenariat avec tous les acteurs de l'éducation. Mhm. Donc, en fait, l'éducation inclusive nécessite et la conjugaison des efforts mhm. de tout le monde. D'abord, les enseignants, les administrateurs, les la communauté, mhm. les parents d'élèves, les structures. Est-ce qu'au niveau des écoles privées, c'est pris en compte également C'est la même chose. C'est la, même chose. C'est toujours, le système éducatif nigérien. Mhm. N'est-ce pas Parce que ces, ces écoles privées aussi. Elles, oui, mais parce que pour arriver à euh, contrôler. En fait, tout ce que vous dites, c'est que c'est la question, c'est par rapport à l'égalité réelle mhm. ou bien l'égalité des faits. On dit et qu'il y a l'égalité formelle, tout ce que nous avons dit, les lois, les politiques, tout ça là, ça rentre dans le cadre. Mhm. Maintenant, l'égalité des chances, elle assure l'égalité, n'est-ce pas et exige donc de prendre des mesures spécifiques pour aller au-delà de l'égalité formelle mhm. et faire en sorte que les personnes handicapées puissent bénéficier des mêmes opportunités que les autres. Mhm. Maintenant, l'objectif, c'est quoi C'est d'arriver à l'égalité réelle, n'est-ce pas Pour, pour s'assurer l'égalité des résultats et non pas seulement l'égalité des chances. Hmm. Il ne suffit pas seulement de donner la chance à ses enfants d'aller à l'école, mais il faudrait que ces enfants. Monsieur le chef de division, si on vous comprend bien, au niveau de chaque école, l'accès au niveau des classes, il faut avoir pour qu'il y ait égalité de chances, une voie de passage pour les personnes handicapées. C'est l'accessibilité. L'accessibilité même, euh, parce que déjà, si la classe n'est pas accessible, déjà il y a problème. C'est à de ça, L'accessibilité, c'est quoi parce que tout ça, c'est des concepts qu'il faut vraiment définir. Mhm. L'accès à l'éducation, l'accès à l'éducation ici couvre la scolarisation à temps voulu et la progression à l'âge requis. Mhm. L'acidité à l'école, un apprentissage conforme aux normes nationales de performance scolaire, mhm. un environnement d'apprentissage suffisamment sûr suffisamment sûr mhm. pour permettre l'apprentissage et une offre scolaire équitablement répartie. C'est-à-dire qu'on parle de l'accès, c'est depuis la maison de l'enfant, depuis sa famille. Quand l'enfant quitte chez lui pour venir à l'école, on est déjà dans l'accès. Mhm. Il faudrait que de chez lui à l'école soit vraiment accessible, mhm. l'environnement scolaire soit accessible, la classe même, la classe, l'équipement soit accessible. Et mhm. c'est pourquoi aujourd'hui il les dispositions qui sont en train, c'est ça qu'on appelle <laughs> les mesures positives, qui sont en train vraiment d'être prises en compte pour permettre l'accès vraiment effectif des enfants à l'école. Donc, euh, j'ai voulu revenir sur les barrières. Mhm. Il y en a beaucoup de barrières. C'est peut-être. On va accélérer puisque nous sommes pratiquement au terme de ce programme. Euh, Donc, les barrières, peut-être moi, je vais mhm. parler sur. Euh, bon, les barrières environnementales, les efforts sont en train d'être faits. Mhm. Tout récemment, M. Mahmoud, il y a eu un arrêté, n'est-ce pas, sur les normes ce pas, par rapport aux infrastructures. on mhm. Maintenant, toutes ces infrastructures, c'est des infrastructures qui sont adaptées, qui sont accessibles avec les rampes, avec euh, vraiment tous les, dispositifs, euh, y compris les, box aussi, les dispositifs euh, pour permettre mhm. l'accessibilité à tous les enfants. Maintenant, c'est les barrières liées aux attitudes. Mhm. C'est là qu'il y a beaucoup de, problèmes. Ça veut dire qu'il y a aussi des obstacles culturels c'est ça donc parce qu'elles sont basées sur les préjugés, les mythes. Mhm. Dans nos sociétés en particulier, elles se manifestent à travers des, traitements discriminatoires vis-à-vis de certains enfants du fait, du fait de, leur, de leur handicap. Mhm. Donc vous voyez, leur appartenance religieuse, sociale, ethnique, sexuelle ou leur handicap qui peut fortement influencer leur participation à la vie scolaire et à la mhm. réussite des apprentissages. Ça veut y a des stigmatisations. Il y a des stigmatisations. Ça, mhm. c'est un aspect. Parce qu'il faut les enfants se disent que l'autre là, ne voit pas. Et déjà, en fait, il faut une attitude bienveillante de la mhm. part de tous les acteurs mhm. pour que l'éducation inclusive Même les élèves qui accueillent tout, le monde, leurs camarades. Tout le monde, mhm. tout à l'heure, Mahmoud a parlé. L'objectif de l'éducation inclusive, en fait, c'est pas seulement instruire les enfants. Il y a l'instruction, il y a l'autonomisation, il y a la, la socialisation. Donc, et c'est pour permettre à ces enfants d'être autonomes, mais aussi permettre à ces enfants d'être Ça veut dire que ça nécessite, si on vous comprend bien, l'implication de tout le monde. Les enfants même qui sont euh, bien portants doivent être sensibilisés à la maison pour qu'ils accueillent leurs camarades qui présentent des handicaps. un peu avancé, vous allez mhm. voir les enfants, il y a l'implication des pères. Mhm. Donc les enfants s'impliquent, n'est-ce pas Ils acceptent les enfants handicapés avec leurs différences, parce qu'elles ont mhm. compris que les handicaps, en fait, c'est juste une différence. Mhm. Et naturellement, nous sommes tous différents, parce que l'être humain, il est, il est interdifférencié mhm. et il est aussi intradifférencié. Et ça peut arriver à tout le monde, d'ailleurs. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde il peut arriver à chacun d'avoir un enfant handicapé. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, <laughs> Monsieur Adamou, êtes handicapé. J'ai dit non, on ne parle pas comme ça. J'ai dit, quelle garantie vous, vous avez de ne pas avoir un enfant handicapé Est-ce que demain, si vous aurez un enfant handicapé, vous allez me le donner Et vous, vous allez abandonner totalement. Mhm. Donc, on n'a aucune garantie. Merci beaucoup, monsieur le chef de division. Il faut donc rappeler que les enfants handicapés font partie de la société. Il y a donc euh, nécessité de ne pas les exclure. C'est cela. Monsieur Mohamedou Mogou, pour terminer, quelles sont les actions attendues pour que justement tous les enfants handicapés puissent euh, réellement bénéficier du droit à l'éducation Il a expliqué qu'au niveau de certains aspects, c'est la phase pilote. Mais vous, vos actions attendues, c'est quoi réellement euh, Vraiment, euh, ce que nous attendons du gouvernement, mhm. c'est trois ou quatre choses. Mhm. C'est-à-dire, premièrement, vous savez que la Lausanne est actuellement en révision. Mhm. Donc, euh, nous la sommes loi de la 98, loi, oui, la loi d'orientation du système fait éducatif. L'éducation droit pour voilà. Chaque citoyen Donc, actuellement, euh, cette loi est en révision mhm. et euh, nous sommes dans le processus, c'est-à-dire la Fédération nigérienne des personnes handicapées participe à ce processus-là, mhm. ce qui est très important. Et nous souhaitons à ce que, en tout cas, nos recommandations soient prises en compte. C'est lui de dire que la Lausanne va sortir avec un article dans lequel le gouvernement du Niger vraiment s'engage véritablement à assurer une éducation inclusive de qualité à tous. Mhm. Deuxièmement, Excusez que... Excusez-moi, quand vous dites une éducation inclusive de qualité, est-ce qu'il faut dire qu'il faut fermer les écoles pour sourds, pour les malvoyants et faire en sorte que toutes les Justement, personnes les, les, écoles spécialisées vont devenir des centres ressources. Uh-huh. il n'y aura plus d'écoles spécialisées. Mhm. Les écoles spécialisées vont devenir des centres ressources qui vont appuyer euh, la mise en œuvre de l'éducation mhm. euh, inclusive. Et mhm. deuxième chose, mhm. c'est le PSF. Mhm. Vous savez que euh, le PSF a été écourté et il y a le PTCF qui a remplacé le, le, le, PSF. Et le PTCF en 2022 va finir. Ça veut dire que en 2023, on doit rentrer dans le processus d'élaboration euh, d'un nouveau plan euh, sectoriel de l'éducation et de la formation. Et ce nouveau plan sectoriel de l'éducation et de la formation doit aussi être la politique euh, d'éducation inclusive. Mhm. parce Parce qu'il ne s'agit pas pour un pays d'avoir une politique euh, de, l'enseignement général à part c'est une politique d'éducation inclusive à part. Non, non. C'est la politique générale qui doit être inclusive. Mhm. Donc le PSF, le prochain PSF doit être inclusif. Mhm. OK Et troisièmement, c'est le budget. C'est-à-dire, il faut que dans le budget de l'éducation inclusive, là, ou de l'éducation que le gouvernement va se donner, qu'il y ait une ligne budgétaire qui soutient la mise en œuvre de l'éducation des enfants handicapés. Mhm. Tant qu'il n'y a pas une ligne budgétaire qui accompagne ce processus-là, on a beau parler, on a beau parler, c'est mhm. zéro. Parce que rien ne peut se faire sans moyens. N'est-ce pas mhm. Donc, euh, vraiment, c'est-à-dire, et euh, c'est à ça que nous interpellons dans un premier temps l'État. Nous sommes convaincus que tant qu'il y a un budget, et si les partenaires, à travers l'article 32 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'État fait appel aux partenaires internationaux, à la coopération internationale, mhm. on peut avoir, des appuis, des, mhm. qui vont euh, lui permettre de faire de l'éducation inclusive une réalité au Niger. Mhm. Et là, qu'est-ce que l'État va faire Donc, l'État va essayer de former suffisamment euh, le personnel d'encadrement, de rendre accessible l'environnement scolaire, mhm. de, de, doter aussi les personnes handicapées de matériel didactique spécifique à leur apprentissage. Après avoir euh, rendu inclusifs tous ces instruments-là, mhm. c'est-à-dire il va falloir asseoir un dispositif institutionnel euh, viable mhm. qui, va euh, soutenir l'application de, tout ça là. Parce que une fois qu'on revise la Lausanne, le PSF, e le budget, il nous faut des structures bien posées pour la mise en œuvre de tout ça là. Mhm. Est-ce que vous voyez Bien comme la division qui est là, nous, on voudrait que, au lieu d'une division, euh, il nous faut une direction. Mhm. C'est-à-dire, au lieu de division de l'éducation inclusive, il nous faut une direction. parce que quand il y a mhm. une stratégie, c'est une direction qui porte la stratégie. Mhm. Est-ce que vous voyez Ça veut dire que vous souhaitez euh, plus. Avant, il n'y avait pas cette division, mais maintenant, ce que vous souhaitez, c'est la direction, de l'éducation inclusive la direction qui va mettre en œuvre la une stratégie de la des enfants handicapés. Oui, à l'image de la direction de la scolarisation de la Merci, on vous a bien compris. Il faut donc beaucoup d'actions. Al-Mustafa Mousseide, pour terminer, comment la population peut contribuer à l'atteinte de tous ces objectifs, puisque c'est au bénéfice quand même de la société. Oui, merci Michel. Nous d'abord, euh, en tant que défenseurs des, des droits humains, nous aimerions qu'on comprenne que l'État a l'obligation de fournir le soutien demandé pour offrir une éducation efficace aux personnes en situation de handicap ce qui inclut des aménagements raisonnables, des équipements adaptés, des mesures de soutien individualisées et l'embauche de professeurs qualifiés et formés pour enseigner à des personnes en situation de handicap dans des écoles ordinaires. Puisque nous avons toute la panoplie des instruments juridiques internationaux que notre pays a ratifiés mhm. pour faire respecter ce droit à l'éducation. Ça veut dire que nous, nous allons continuer à faire le, monitoring. Ça, c'est au niveau de l'État. Oh, Ça a été rappelé par le secrétaire général de la Fédération. Mhm. Michel, et soulever tous les manquements afin que des recommandations puissent être faites à l'État pour qu'on puisse les corriger afin d'arriver d'asseoir une véritable éducation euh, aux personnes handicapées. Ça, mhm. c'est le premier aspect. Et de tout le temps, Michel, dans tous les pays qui se respectent, le, l'éducation a été le rôle légalien mhm. de l'État. Moi, je ne dis pas à l'État de ne pas aller vers euh, les partenaires, mais nous devons comprendre qu'il est de notre responsabilité. Mhm. C'est en ce sens que la synergie d'action doit vraiment s'opérer. La tendance aussi que j'observe, c'est cette façon de l'État de vouloir marchandiser l'éducation si on continue dans cette tendance aussi, on va compromettre le droit à, l'éducation. Donc il va falloir véritablement qu'il y ait une, synergie d'action, que euh, l'État accepte nos observations. Au niveau un mot, euh, à l'endroit de la population, à l'endroit de la population, il y a, les obstacles. Les obstacles ils sont là, ils sont énormes. Honnêtement, nous devons tous nous engager pour faire de, l'éducation des enfants en situation de handicap une réalité. Une, réalité. Merci et Vraiment, c'est un combat commun et personne ne doit se mettre de côté. Merci beaucoup. Et nous sommes euh, au terme de ce forum du studio Kalango qui portait sur le thème l'accès à l'éducation des personnes handicapées au Niger. Nous retenons que la Constitution de la République du Niger, qui est la Constitution du 25 novembre 2010, a prévu l'égalité des chances en ce qui concerne l'éducation pour tous les enfants nigériens. Il s'agit de l'article 26 de la Constitution qui oblige l'État à créer les conditions pour que les enfants présentant des situations de handicap soient acceptés dans toutes les écoles sur l'ensemble du territoire national, mais également que l'État crée les conditions pour que le personnel enseignant, mais aussi les euh, équipements didactiques soient disponibles pour faire de cette euh, éducation inclusive une réalité au Niger. Nous étions en compagnie de Monsieur Adamou Sabo. Il est le chef division éducation inclusive au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Mohamedou Mogou, il est le secrétaire euh, général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Et enfin, notre troisième invité est Monsieur Al-Mustafa Moussa Ide, président de la plateforme Le Défenseur des droits. Il est donc défenseur des droits humains, ancien commissaire de de la Commission nationale des droits humains, CNDH, à la modération de ce forum. Je suis Michel Dejim, à la technique, c'est euh, Saka. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.